alaikum. sama mbokki député monsieur le ministre monsieur le président maa di monsieur le président lorsque la proposition de loi est arrivée au bureau de l'Assemblée nationale j'avais posé deux questions qui sont aujourd'hui deux objections la première moins proposition de loi normalement dafa war a xool su amee incidence financière naka la koy couvrir bii nag am na incidence financière kenn mënu koo wej am na ñu fi cité bulletin y a la formation am na incidence financière donc proposition de loi dafa war a ñëw wax ñu incidence financière incidence financière c'est tant de milliards voilà comment comment on va couvrir ça defuñu ko ñaareel bi dañu ne proposition de loi dafa elle doit être conforme aux lois en vigueur, notamment la Constitution. bi nag un avons un problème parce que des yok mandat président de la République C'est loolu mënu yok, parce qu'il y a la clause d'éternité qui dit que le mandat doit durer 5 ans donc xam proposition de loi pour le le bureau bi bay yegg ñaareel déglu franchement ce qu'on dit du conseil constitutionnel jusqu'à présent il n'y a pas de fait il n'y a pas de fait nos collègues qui étaient en campagne pour le parrainage comme moi se sont plaints c'est vrai mais jusqu'à présent on n'a pas de fait palpable prouvant la responsabilité en tout cas du conseil constitutionnel Oui, Ben les rek lañ fi andi moy affaire est-ce que nous avons dit que nous ñu bouleverser le calendrier électoral du Sénégal Nous allons bouleverser l'engagement du Sénégal et des Sénégalais depuis le 23 juin 2011 ici de ne faire que deux mandats de cinq ans c'est ça la question qui nous est posée aujourd'hui man Sénégal sous-région avec Sénégal fu mu ci Afrique ak Sénégal fu mu Afrique francophone la question des deux mandats devait être réglée depuis très longtemps je faisais partie de ceux qui s'étaient réjouis quand on a entendu le président Macky Sall dire moi je renonce à une troisième candidature mais en réalité ce que vous êtes en train de préparer moi, un mandat glissant Du coup, glisser parce que notre c'est secret de polichinelle Nous xam nañ l'hypothèse de 2026 Baye leen 2026 Salama Baye ba 2026 danaa defar Karim dina Bok, Sonko dina Bok, Piti Dina Bok, etc. et man en 2026 je ne serai pas candidat wax Yoyou, là où on Sénégal au Sénégal, ko dem na ci kilifa veulent en France mais les Sénégalais n'en veulent pas les Sénégalais ont dit tu fais deux mandats à nga dem sa faire du man Macky Sall 23 juin mais moi je fais doucement parce que dafa je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression en bon français c'est une déclaration de guerre à l'opposition la man nak mënuma ka kaa bay japp ne mom moom ñu ko bàyyi ay mandat glissant mandat glissant ba mu demee bés bu mu demee ba taxaw ñu ko jappal ba mu taxaw ñom ñoom da leen di rendi asalaamaaleykum merci cher collègue le président de la commission Moussa Diakhaté